voilà mais jàpp ne daal lycée Bambey. su la nekk mu nekk bi proclamé au niveau de la commune. xam naa rek léegi ñu daal di teewlu fi nga xam ne ni mooy docteur Omar Ngor Thiam nga xam ne moo nekk président jury bi euh, keroog tamit keroog moom xaar bi yàggoon na trop waaye tey nag c'est le contraire <laughs> waaw tey moom moom moo ñu doon xaar keroog ñoo ko doon xaar waaye tey tey moom moo ñu doon xaar proclamation euh, baccalauréat de l'enseignement secondaire, année 2020, section normale 2020. Résultats par ordre de mérite. Liste des admis après le second groupe d'épreuves. Jury 1394 série L2, sciences sociales et humaines. Numéro 262 746, Rokhaya Ndong, mention passable, lycée de Roy. Numéro 262 747, Astoussane, mention passable, lycée de Bambay. Numéro 262 741, Astoussou, mention passable, lycée de Bambay. Numéro 262 736, Ndeye Marem John, mention passable lycée Ngoï, Numéro 262 730 Fallou Fall, mention passable candidat individuel Jourbel. Numéro 262 740 Fallou Ngom, mention passable lycée de Bambay, fin de liste. 100 là, donc ils étaient 6 pour le moment. <laughs> Baccalauréat de l'enseignement secondaire, année 2020, section normale 2020. résultat par ordre de mérite. Liste des admis après le, deuxième groupe d'épreuves. Jury 1394. Série L'1. Langue et civilisation moderne. Numéro 262 589. Oulimata Dja manchon Mention passable, lycée de Bambay numéro 262 615 Nar Ngom, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 613 Sorna Djuma Ndiaye, mention passable candidat individuel. Numéro 262 594 Aïssatou Faye, mention passable euh, école privée Elage Abdoulaye Gueye Bambay. Numéro 262 614 Dabangom, candidat individuel numéro 262 627 Khadi Si, mention passable, école privée Elage Abdoulaye Gueye Bambay. Numéro 262 606 Samba Gueye, mention passable, candidat individuel, Djurbel. Numéro 262 658 558, Nar Sissé, mention passable, lycée de Bambay. Numéro 262 592 Aram Fall, mention passable candidat individuel juba numéro 262 599 Ngone Faye mention passable école privée Elage Abdoulaye Gueye Bambay numéro 262 600 Sey Faye mention passable lycée de Roy numéro 262 577 Mam Diara mention passable lycée de Bambay numéro 262 591 Teneng Diouf, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 575, Mamdiara Bousso Badian, mention passable école privée LH Abdoulaye Gueye Bambay. Numéro 262 586, Moudou Diouf, candidat, euh, passable, candidat individuel Djurga. Euh, euh, numéro 262 602, Amining, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 571 Aïssatou Silla, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 582 Fallou Dien, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 586 588, Ndey Djouf mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 579 Gora Diagne, mention passable lycée de Bambay numéro 262 618 Khadissar, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 612 Bousso Ndiaye, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 628 Seynabou Si, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 574 euh, Fatou Bayan, mention passable lycée de Bambay numéro 262 564 Abdouning, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 622 Ndei Fatou Sek, mention passable école privée LH Abdoulaye Gueye Bambay. Numéro 262 623 Ndei Nar Sek, mention passable lycée de Bambay, euh, école privée LH Abdoulaye Gueye Bambay. Numéro 262 580 Sorna mention passable lycée de Bambay numéro 262 585 George Diouf, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 610 Fatou Mboup, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 617 Amining, Amisal, mention passable candidat individuel Djurbel. Numéro 262 621 Fatou Sek, mention passable lycée de Bambay numéro 262 608 Awa Mbaye, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 611 Mam Khoudia Mboup, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 607 616 Soukei Ngom, mention passable lycée de Bambay. Numéro 262 569 Fallou Nyan, mention passable lycée de Bambay. Il faut que mel na 100 là, donc 36 la L1 36 la 36 yëpp jàll 100 là. Elle L2 aussi 6 ce dialogue, 100 fortune 100 elle prime 1 100 63 318 El Hadj Traoré mention passable lycée de Bambay. 263 282 Abdel Cheikh Sen, passable, lycée de Bambay. 263 186 Cheikh Gay, passable, lycée de Bambay. 263 176 Mansour Gay, passable. Mamour Gay, passable, candidat individuel Djourbel, KOSP. Numéro 263 245 Ousmane Ndiaye, mention passable, lycée de Bambay numéro 263 290 Pate Sen mention passable lycée de Bambay numéro 263 293 Abou passable lycée de Bambay 263 284 Adama passable cours privé Baoul Tchapi 263 207 Aline Conté passable école privée Mamor Mbake Murtada 263 196 Fatimata Anne Passable cours privé Baol de Chapi. 263 216 Fatou Passable école privée Elage Abdoulaye Gueye Bambey 263 243 Ngenar Ndiaye Passable lycée de Bambay 263 298 Mam Diara Sow passable lycée de Bambey 263 248 Hassan Ngor passable lycée de Bambey 263 238 Mohamed Ndiaye passable lycée de Bambey 263 294 Fat Sow passable lycée de Bambay. 263 303 Ramata Silla passable école privée Mamor Mbake Murtada. 263 312 Ndjegu Tchao passable école privée Mamor Mbake Murtada 263 249 Ndoyendong passable lycée de Bambay 263 267 Adama Nyan passable lycée de Bambay 263 236 Marem Ndiaye passable lycée de Bambay 263 194 Serigne Falou Gueye passable lycée passable candidat individuel Diourbel Kaospe 263 270 Papa Mamadou passable lycée de Bambay 263 273 Djibril Sal, passable lycée de Bambay 263 198 Sayan passable lycée de Bambay 263 302 Sohna Diara passable lycée de Bambay 263 261 Ibrahim Diallo passable lycée de bambay 263 228 Koumba passable école privée Mamor Mbake, Murtada. 263 240 Nafisa passable lycée de Bambay. numéro 263 219 Papa Baba Karmbay, passable lycée de Bambay. 263 213 Lota Mbake. passable lycée de Bambay. 263 280 Cher Sec, passable lycée de Bambay. 263 297 Mamadou Sow, passable école privée El Haji Abdoulaye Gueye Bambay. 263 319 Padawad, passable lycée de Bambay. 263 205 Fatou Kassé, passable lycée de Bambay. 263 278 Mbaïsar, passable école privée Mamor Baké, Murtala. 263 308 Issa Thiaw passable lycée de Bambey 263 325 Aïssatou Yat passable candidat individuel du World 263 252 Ibrahim Ndour passable candidat individuel du World 263 230 Elagi Omar Ndiaye passable lycée de Bambey 263 254 Sigandour passable école privée mamon Bakemurtada. murtada 263 195 Sohna passable lycée de Bambay 263 235 Mamfat Fat Fama Ndiaye passable école privée mamon Bakemurtada. murtada 263 299 Mohamed Taïb Sow passable lycée de Bambay 263 187 Daouda passable école privée 263, 268, Massamba passable, école privée mamon Bakemurtada 263, 266, Tchernongom, passable, lycée de Bambay. 263, 259, El Haji Falungom, passable, lycée de Bambay. 263, 214, Hassan Mbaye, passable, lycée de Bambay. 263, 229, Detchen passable, lycée de Bambay. 263 200 Aliouka, Passable école privée Mamon, Baké, Murtada. 263 311 Ndeye Fatou Passable lycée de Bambay. fin de liste. voilà euh, fin de liste qui est donc au début.

donc 262 euh, 928 Adama complexe d'excellence Serigne Saliou 262 886 Adjuma Faye passable complexe d'excellence Serigne Saliou 262 948 Mam Astoussar, candidat individuel Rubel. 262 855 Khadim Dien, candidat individuel 262 880 Moustapha Djoum, complexe d'excellence Serigne Saliou Mbake. 262 918 Mam complexe d'excellence Serigne Saliou Mbake. 262 936 Saliou Ngom passable euh, complexe, d'excellence Serigne Saliou Mbake. 262 850 Babacar Danfa candidat individuel Djobel. 262 885 Serigne Mortala Fall complexe d'excellence Serigne Saliou 262 905 Nday Amilei, complexe d'excellence Serigne Saliou 262 926 Serigne Saliou complexe d'excellence Serigne Saliou 262 942 Awassal, complexe d'excellence Serigne Saliou 262 920 Djougou Ndiaye mention passable complexe d'excellence Serigne salou Mbake 262 848 Mohamedou Badji complexe d'excellence Serigne salou Mbake. 262 887 Cheikh passable complexe d'excellence Serigne salou Mbake. 262 882 Mathieu mention passable candidat individuel d'Urbel. 262 889 Djibril Faye passable complexe d'excellence Serigne Salium 262 930 Ablaï Ndour complexe d'excellence Serigne Salium 262 912 Alingay complexe d'excellence Serigne Salium Mbacké 262 857 Cher Djogoul mention passable complexe d'excellence Serigne Salium Mbacké 262 931 Moudounour, mention passable comme d'excellence Sirin Salou Mbake. 262 965 Hassan Tchao, mention passable comme complexe d'excellence Sirin Salou Mbake. 262 853 Yassine Gagne complexe d'excellence Sirin Salou Mbake. 262 871 Mbaye Diouf mention passable complexe d'excellence Serigne Saliou Mbacké 262 959 Yoro mention passable complexe d'excellence Serigne Saliou 262 869 Mamadou Diouf candidat individuel Diourbel 262 865 Aliou Diouf candidat individuel Diourbel 262 953 Serigne Modou mention passable candidat individuel Diourbel 262 944 Hassan Sar, complexe d'excellence sering Saliou Mbake. 262 947 Malik Sar mention passable complexe d'excellence sering Saliou 262 864 Aliou Diouf mention passable complexe d'excellence sering Saliou 262 939 Alassane Pouy mention passable complexe d'excellence sering Saliou Baké 262 908 Aliou mention passable complexe d'excellence Serigne Salumbake. fin de liste. président maa ngi le ñaanal jury donc mu jox euh, lecture de résultats, yi ban appréciation la si euh, monsieur le président vous venez de terminer la proclamation euh, de votre jury d'abord quelle appréciation faites-vous de ces résultats là ah non c'est comme, je le disais au premier tour aussi, l'appréciation souvent. Donc pour les résultats, on peut dire que c'est bon dans l'ensemble parce que dans les trois, les quatre séries qu'on avait, dans l'ensemble, on a plus de 50%. C'est seulement la série LR qu'on a moins de 50% qui se trouve avec 46%, si je ne me trompe pas, de, du, du pourcentage de réussite. Mais pour tout le reste maintenant, on peut dire que c'est bon dans l'ensemble comme on a plus de 50% de réussite. Et qu'est-ce qui fait la différence Dans les autres jurys, on a vu qu'on a recalé beaucoup de, beaucoup de candidats, mais ici, euh, c'est l'indulgence des correcteurs ou bien c'est le niveau des élèves ah, là, c'est difficile à répondre hein, parce que je ne peux pas dire que c'est l'enseignant, c'est donc c'est un ensemble, donc les élèves ont bien fait, les enseignants ont bien corrigé. Donc peut-être j'ai eu la chance que les élèves qui ont bien travaillé, entre guillemets, étaient dans mon jury. Donc je ne peux pas dire que l'autre était beaucoup plus, je ne sais pas. Donc là c'est un jugement personnel. Donc pour nous, on sait pas, on ne regarde pas le nombre de candidats récalés, mais on regarde simplement l'évaluation que les élèves ont fait. C'est comme maintenant, le bilan que vous tirez de cette organisation au niveau de votre centre, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés ou bien hmm, Non, on n'a pas de difficultés parce qu'on a, comme on s'est déroulé pendant ces journées, pas de problème, pas d'incident, pas, pas de truc. Donc on dit qu'il n'y avait pas de difficulté et donc tout s'est passé correctement quand même voilà xanaa si wala rek docteur Omar Ngor Thiam yow yaay président jury 1394 nekk fii si lycée de Bambey nga joxe say résultats léegi nii gis nañu ni résultats yi euh, baax na macha allah ban commentaire nga si def. waaw ñun euh, commentaire buñ ci mën a joxe mooy euh, résultats yi moom bu ñu waxee ne baax na léegi yaakaar naa ne ñëpp a ci def élèves yi dañoo def seen liggéey lu mu waree enseignants yi corrigé man ma dajale points yi rek joxe léegi bo xolé baax baxté gi nak yakarna ci élèves yi lañ ko mëna a parce que ñom ñoo def ay choix yu baax matière yi ñu wara reprendre dem jàngi seen li leçon nu mu waré bu ñu ñëwé def nag bu boobaa enseignant jox leen point yu war lolu lañ mëna wax léegi mbaaxte gi dal ñun dañ koy jox élèves yi parce que enseignant yi moom comme lolu moy seen métier donc yaakaar naa ne mbaxte gi daal ci élèves yi lañ ko mun a joxe. léegi examen yi jeex na yow nga nekk ko président jury bi ban bilan ngay tiré si déroulement bi organisation bi bañ commencé ba si cappaandaw gi tey. waaw ci bilan organisation bi moom moo xam nga ñun comme liggéey bi moo ñu indi donc mën nañ wax ne liggéey bi jaar na yoon parce que comme amuñu benn jafe-jafe amuñu benn candidat bu indi ay incident feebar wala incident tricherie kon mun nañ mun a jàpp ne examen bi jaar na ci yoon parce que boo ñëwee liggéey si moom amoo ci benn tolof tolof moom mun nga jàpp ne examen bi jaar na ci yoon mais ci wàllum résultat nag mun nañ wax ne résultat yi tamit tane na tuuti parce que benn jury rek lañ am boo xam ne amul euh, plus de 50 pour cent mooy jury el arabe bi mhm. mais yi des yëpp comme am nañ plus de 50 pour cent mun nañ jàpp ne résultat yi baax na bon différence am na entre def examen ci Covid ak def examen ci sans euh, euh, sans Covid est-ce que sentir nga am na différence. pour man de sentiruma différence bi trop xana solum masque bi ak djema euh, a entre ñun mais ci man lum organisation mom moom ñu différence gi peut-être xana contrôle bi ñu doon def ci suba si walam ci ngone si walam di wax ne boy sol leen masque yi raxasu leen fi à part lolu rek mo mun a wax ne mo ñu indil di leen différence mais ci walum organisation mom moom ñu différence. gis examen Covid ren moo gën bu examen xam nga examen mom damay wax tout le temps ça dépend ci ñiy jàngale ak ñi ki parce que fi mun naa baax fallait mun naa bon mais mun nañ jàpp daal di dans l'ensemble dal ko ñun ci walum organisation bi lañ mëna wax organisation bi jaar na yoon dara amuñ ci ben jafé jafé kon baax légui léegi euh, résultat yi mom ki bi système yi nga xamné office du bac jël nako ak notaire ci proclamation par rapport ak bi daan am bu njëkk noko gis wa man nak mom bima tambalé di def bac bo légui mom damay def formation ci radio communautaire li du su lu ñëk ci man mhm. peut-être euh, côté nord bi rek ñoko ko mais ñun man tàmm naa ko côté sud bi boo fa demee ñun tout le temps ci ay radio lañuy proclamer mhm. mais et tamit day ñuy gëna yombalal liggéey bi mhm. euh, parce que mën nga proclamer pare affiché étudiant ñëw xoti ko ñeneen ni di wër mais li mom yaakaar naa bu ko ñëpp déggé ci radio bi comme ku nekk fu mo mën ti tollu itamit mën nga euh, jarul ngay déplacer wu ba ci école bi pour jël si say résultats légui li mom dañ koy rafetlu parce que luy yombalal nit liguey mom lo ci munti wax rek rafet lu nañ ko mun a inshallah merci président ok merci beaucoup